Donc notre travail consiste à, à, analyser les données recueillies par les 200 observatrices sur le terrain des votes, de les recueillir et de les analyser. De les analyser en faisant un focus sur la participation des femmes aux élections à deux niveaux. Au premier niveau, on peut analyser au niveau des bureaux de vote quel est le taux de présence des femmes. Au niveau des observatrices qui sont envoyées et des observateurs qui sont envoyés sur le terrain, quel est le taux de présence des femmes et également au niveau de l'affluence des femmes comme électrices, quel est le taux d'affluence des femmes au niveau des bureaux de vote. Et d'un autre côté, il y a également des incidents qui sont à chaque moment relevés et nous essayons de croiser euh, ces incidences-là avec le taux, par exemple, d'affluence des femmes au niveau des bureaux de vote. On a autour de 30 à 50 d'affluence des femmes au niveau des bureaux de vote. Sur les 218 bureaux de vote que nous avons pu recueillir les données, il y a 30 à 50 d'affluence des femmes. Pour la participation politique des femmes, je pense que les femmes, elles font de leur mieux au niveau de, du renforcement du nombre de l'électorat. Parce que si déjà nous prenons le fichier biométrique nigérien, on a noté que parmi les inscrits, on a 55% de ces inscrits-là qui sont des femmes. Mais malheureusement, quand nous venons au niveau des, des candidats, parce que si vous représentez 55% de l'électorat, il faut que normalement qu'on dise que 55 au moins des candidats sont des femmes. Mais malheureusement, si vous prenez déjà euh, les candidats à la présidentielle, on n'a aucune femme qui est candidate à la présidentielle.